Yeah, te tiens, il faut partir. C'est ce qu'il faut s'en aller pour s'enrichir. Cette histoire-là, c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vas qu'on te balise tes parents te verbalisent. Tout ce que tu t'aimes, ils te regretteront amèrement. Tu n'y crois pas, mais tu diras pas que ta mère te ment. C'est fièrement. Et tu lèveras la tête droite devant toi. Il marchera. Et elle verra tes pas comme des adieux. Chemin de l'exil te tient. Qu'est-ce qu'il faut se dire Il faut partir. Parce que tu penses qu'il n'y a pas déjà d'avenir ici. Chemin de l'exil te tient. Tu pars là-bas et tu seras seul. Un, véritable juvier parmi les lions parce qu'il fera froid là-bas, mais il n'y aura plus personne et tu n'auras pas aussi les idées de comment est-ce que les choses se passent dans le village. Bonjour et bienvenue dans Tous à la Fada. Parce qu'apparemment, toutes les cartes sont jouées. Qu'est-ce qu'il faut faire On doit aller à la recherche de l'Eldorado. Néo, Kursino. Karbene, Karaganda. un Impact social économique de la migration irrégulière sur les jeunes et tentatives de solutions aux perspectives pour endiguer ce phénomène. C'est ça notre thème. Vous êtes d'accord avec nous D'accord. On peut discuter de cela On peut discuter sans En attendant, permettez-moi de planter le décor. Vous avez donc euh, les échanges tout au long des minutes qui vont suivre sur le thème du jour. Un peu de musique n'a jamais fait du mal déjà à la jeunesse qui kiffe cette émission. Ah, en fin d'émission, nous allons recevoir sur cette émission Mr. Olivier, c'est le chroniqueur qui donc fait le buzz, le buzz. 35 minutes, top, c'est parti. sommes installés en plein cœur euh, de la capitale du Niger. Nous sommes à Niamey sur un grand artère. On, a déjà la chaleur en question de la ville. Nous sommes avec Monsieur Omar Hama. Omar Hama qui est journaliste, euh, en principe spécialiste euh, en migration. Omar, je souhaite la bienvenue sur l'émission. Mesdames et messieurs, on accueille Omar comme ça se doit. Mr. Omar ça Merci, va beaucoup. Monsieur Guérani Do, chargé des relations publiques. Du projet migrant en route. Du projet migrant en route. Nous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous sommes aussi avec M. Euh, monsieur Madani Moussa, conseiller et BAD, projet du migrant en route. Ça va On lui souhaite la bienvenue. Avant donc euh, de vous donner la parole, on va écouter un micro-trottoir. Tant que la personne s'élève avec son projet, on ne peut pas le soutenir au Niger. Donc, euh, je pense que ces contraintes-là, c'est ça qui pousse les gens pour aller chercher la vie meilleure ailleurs. Bon, on ne peut pas dire directement que ce n'est pas bon parce que tout le monde a sa raison de quitter. Il y a d'autres qui quittent pour aller étudier, revenir, contribuer ici. Il y a aussi d'autres qui quittent. C'est un moyen pour s'en sortir. Parce qu'en voyant ici les conditions, c'est mieux de quitter pour partir ailleurs pour chercher. Parce que quelqu'un qui a une famille ici, voyant les situations du marché, comme au grand marché, on a déplacé les gens. Pourtant, quelqu'un qui a une boutique, on a déplacé la boutique. Il est obligé de sortir pour aller chercher et bien nourrir sa famille. C'est le cas de mon frère aussi qui a quitté le pays. Il est parti à Qatar pour chercher et nourrir sa femme. Ah, concernant l'immigration au Niger aujourd'hui, moi je pense que c'est que ici au Niger euh, aujourd'hui constate euh, les conditions sont nuisibles, la vie est très chère au Niger, il n'y a pas suffisamment d'emplois, c'est ça qui pousse les jeunes à franchir euh, les frontières, dans les risques pour partir en Europe là. Vous avez écouté avec intérêt ces jeunes à l'instant qui disent à travers justement ce micro-trottoir que toutes les cartes sont si toutes les cartes sont jouées, on doit partir. Monsieur oui, Oui, merci. Ces jeunes, ils ont exprimé tout simplement leur ressenti. Mais moi, eu, je me pose une seule question. Hmm. Est-ce qu'ils ont vraiment cherché Est-ce qu'ils ont vraiment cherché Est-ce que ce n'est pas, ils ne sont pas beaucoup plus domptés par ces préjugés comme quoi l'Europe est toujours mieux. Hmm. Est-ce qu'en partant, ils ne laisse pas aussi une grande mine d'or ici sur le continent hmm. Voilà, parce qu'il y a des réalités que les gens doivent savoir. On va revenir avec ces réalités. Alors, on va cette fois-ci permettre euh, à Monsieur Madani Moussa de se prononcer sur, par rapport donc, à cette question, à ce micro-trottoir que nous venons à l'instant d'écouter ensemble. Ah, nous, nous manquons qui ine nge onge kono di afone ngo ferraro ngo go nge famo jara gono di se retrouve parce que no igaga in butigo in butigo bogu donc asine go kagte ala kegina ngai fote ne a kono de agon agon murade go teme no par rapport à cette intervention il faut non ngingici to hay matu non wondi sanoga o oh, sanoga hay kai sanoga mm. mm. hay kai gici inga no ni be bore bore kango kite koi mm. le, plus souvent c'est pour améliorer leurs conditions de vie ni mhm. femmes mhm. to ba conditions de vie améliorées mm. ni femmes e nihi maga bai haikan gogin batu fanda bon mm. borbo biyan ga dira mm. isi bai masala gi batu mm-hmm. imandu la albaharai mm. hanne yan ga nan im decision hanne mm. ga kite mm-hmm. mm. kaldi igidi kan lallai voyage duma a gwanda problem san bukan ce bana ko ai dai ko ai dai wallahi ko ai dai man man wallahi dai wallahi ko ai dai dai dai dono yanno ai oh. ko ai dai wallahi ma mhm. ai dai irkan ga ai mon wanjini Omar mm. comment vous Omar Hama, comment est-ce que vous vous analysez de manière générale ce phénomène de la migration irrégulière sur les jeunes nigériens Bon, euh, sur les jeunes nigériens, d'abord il faut rappeler que les jeunes nigériens, c'est seulement ces dernières années qu'ils ont commencer à quitter le pays de, manière euh, massive. Mhm. Ok mhm. Parce que simplement, le Niger, mhm. je vais le rappeler, c'est un pays de transit et un pays d'origine de départ des migrants. Quand on prend le cas du Niger, le phénomène existait depuis toujours. Vous avez des jeunes qui quittent les zones rurales pour rejoindre les grandes villes comme Niamey, Maradi, Zander. la migration. Et chercher à améliorer leurs conditions, de, vie. comme euh, euh, disait mon collègue tout à l'heure. Mhm. Mhm. Et aujourd'hui, même dans les grands centres, ces jeunes n'arrivent pas à, trouver en tout cas des, des, des, boulots, des emplois qui peuvent les retenir. Mhm. ok Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils sont déterminés pour la plupart à quitter les pays, quelles que soient les conséquences sur leur déplacement. Les Nigériens sont habitués à, partir en Libye, en Algérie. Ils connaissent bien la réalité au niveau de la Libye. Mais tu as l'habitude de, poser donc la question à ces jeunes et leur dire mais attends, mais pourquoi tu quittes le Niger pour aller en Algérie ou en Libye Bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'ils te répondent Récemment, j'ai croisé un jeune qui a quitté la région de Difa. Hmm. Il, avait 16 ans. Mhm. Je lui pose la question, mais à 16 ans, tu vas où mhm. Il dit en Libye. J'ai dit, mais tu vas aller faire quoi en Libye oh tu sais que la Libye, quand même, c'est le chaos. Bien dis que c'est le chaos, mais je préfère la Libye que, de rester, chaos que, de rester chez moi. Il me dit, tous ceux qui sont sur ces camions-là, uh-huh. aujourd'hui, si tu leur proposes un boulot de 50 000 personnes, ne va quitter le Niger. Ah. Mais les, gens n'ont rien. Ils sont obligés d'aller chercher eh, un gagne-pain quelque part. Hmm. ok Mais donc, le problème, il est connu de tous. Donc, c'est ça qui les motive. Ils, sont déterminés. Mais même les migrants, euh, les migrants, je vais dire ouest-africains, à l'époque, en 2016, en 2017, quand, je, faisais des interviews avec les gens euh, le long de la, route euh, Agadez-Libye, ils, ont un slogan. Un migrant qui te dit Mieux vaut mourir dans la mer que devant sa mère. Le monsieur-là, il est, frustré. Il dit Mieux vaut mourir en, mer que de mourir devant sa mère. Attends, tu me donnes la chair de poule là. On va revenir avec toi, monsieur Gevani. Euh, lui, il préfère mourir en mer que de mourir ce monsieur-là, cest veut dire que quelque part, il est choqué. cest veut dire que quelque part, ça ne va pas. Oui, c'est une frustration sociale, une frustration parce qu'il ne se retrouve pas. Et parfois, on ne se retrouve pas aussi à cause du manque d'informations. Euh, on revient à toi, monsieur Madani Moussa. Aujourd'hui, on, on constate que ces jeunes, ils investissent des millions. Comme je l'ai dit, ils vendent des parcelles, leurs biens pour aller à la recherche de l'Eldorado. Des fois, ils partent faire le fucking job qu'ils refusent de faire ici o aigo di mhm. il faut nous gate parce que jeune o kan Et e mandu information hani mhm. ni faham mhm. zaman ni ne ignoro dan gumo zama igidan norugumu ga voyage jana din son ni di din sambu migration irregulière mm. norukan bore ga wi a to 5000 a 6000 euro mm, bata bata no oh mm. to ni di 5000 à 6000 euro bara kan ga wi fonda bon am ko europe da goro niger il y a beaucoup d'activités qui Gingité. Gingité commerce, Gingité entrepreneuriat agricole. Vous connaissez certainement Douaradi, ils ont chanté Exodus alors on va kiffer comme ça, ce doit dit. on revient dans un instant pour continuer ce que nous avons commencé. Hey! habite nos pays alors que cherche la terre promise, mais ils sont des millions à uh-huh. quitter leur pays alors que cherche leur Doradonaïa Bingier. Nous sommes des milliers à quitter nos pays alors que cherche la terre promise, mais ils sont des millions à uh-huh. quitter leur pays alors que cherche leur Doradonaïa Bingier. Pour tous les man qui sont en exode, pour toutes les Sichuan qui sont en exode. exode. les clandestins, tous les banabana qui cherchent les dorados en Americana. Exitance, exilé, faut que je bouge vers mon destin. La fortune, mon chemin, mon avenir dans les mains. Derrière moi, ma famille, ma patrie, tout ce que j'aime faire face à la vie pour en meilleur lendemain. les bagots vers les pays lointains, parti par la mer au des frontières, par l'hexagone, outre-mer ou dom-dom. Sur les routes de Babylone, bénédiction. Ils fait couler tant sur tant de Rêve exaucé, foulera avec fierté le sol natal, la terre de l'amour, la terre de l'amour. Exodus. Pour tous les brothermen qui sont en exode, pour toutes les sisters qui sont en exode. Exodus. Tous les clandestins pour rouler les banavanas Je cherche le dorado en Americana Au revoir famille éther, oh amis éphémères oh famille éther, oh, Je reviendrai, les proches pleines d'or Je vous ferai goûter au saveur de l'horizon au revoir famille terre, oh amis et oh famille éther oh, Je reviendrai, les proches pleins d'or, je vous ferai goûter nous continuons donc avec une deuxième série de questions avec nos invités parce que Chao Donc du coup, pose <laughs> Le système mis en place pour tenter de rallier l'Europe est un véritable business qui fait euh, rentrer de l'argent aux auteurs cette forme d'entrepreneuriat au noir qui utilise les économies des jeunes Nigériens, est-ce que ces jeunes sont suffisamment informés de comment ça marche avant d'investir leurs sous dans ce projet Je parle à vous parce que vous êtes aussi une association qui œuvre dans ce sens. Justement, c'est ce que nous faisons au projet Migrants en route. Nous agissons à deux niveaux. Le premier niveau, hmm. nous avons des conseillers, bouche à oreille, BAO qui sont sur le terrain avec les migrants tout le temps et qui discutent avec les migrants. Pas pour les empêcher de migrer, mais pour leur apporter les informations nécessaires pour qu'ils sachent les dangers, les risques qu'ils sont en train de prendre. Merci, monsieur, monsieur, Givani. Alors, monsieur Moussa, en termes d'impact de la migration irrégulière des jeunes, quelles sont les vraies répercussions de ce phénomène sur les jeunes, mais aussi sur le développement économique du pays Parce que dit problème, c'est qui veut dire qu'en principe, akande masala laabo ko jinen wose to ifo no wone gin kande problème fo wone gin kande to aran dey hay kulra son de la vie actuelle kaldi hmm. d'un jeune kaldi d'un jeune oh que ça soit il faut ni gini surtout économie au bon mm -hmm. zama jeune inga no bra valide mm -hmm. son jeune din kango kite mm -hmm. ga koy ga migrer ga koy euh, pays fo yara mm -hmm. donc ça veut dire que goyo ki gingite mm -hmm bor fo singati mm. kenan igo ya wala igo gnan gode people no mm. alors que donc mai no gate agriculture mai no gate commerce mai no gate mm. wedding mm. wedding ago ago goy di mobile nge satine o mai ko gate no nam di kono din garage rani goy igi farno oh, oh, mm-hmm, igi ansium mm-hmm, mm-hmm. igi tam sire wedding masala no e eh, bambata économie au bon d'accord alors Omar je reviens à toi Omar les conséquences des aventures migratoires sur les jeunes on voit déjà certaines déjà à la télé ou sur le net, des corps sur la mer. Euh, euh, ça, c'est des conséquences visibles. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences dont on ne parle pas Des conséquences physiques, mais aussi psychologiques parce que tout à l'heure, mon ami Ghevani a soulevé la torture, ok, d'accord, au niveau donc du genre euh, masculin, féminin. Alors aujourd'hui, aujourd'hui concernant, concernant la torture dont tu a évoqué, <coughs> la torture concerne un peu de façon générale tous les migrants. <coughs> C'est vrai, quand on prend les genres féminins, elles sont souvent victimes de viols, mhm. hein, de viols organisés. Mhm. ok? à partir du moment où elle est migrante et qu'elle arrive en Libye, mhm. elle, est, vulnérable. elle peut être utilisée dans la prostitution, dans n'importe quel type de, comment on appelle, de métier euh, voilà, euh, même l'esclave, mhm. l'esclavage. Mhm. Aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, quelque part, euh, l'année dernière, on a plus parlé de l'esclavage. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas l'esclavage. Attention, il faut faire la différence. C'était de la traite des personnes. Les maisons qui sont aujourd'hui en Libye, à Sabha, mhm. hein? on les appelle communément en Hausa Guidembash. Hein? Gidambash elle existait même à l'époque de Kadhafi. Mhm. Ça veut dire un migrant qui arrive à Libye et qui arrive à Agadez, qui n'a pas d'argent. Mhm. Ok mhm. il, fait un accord avec son passeur. Le passeur lui dit bon, je vais t'amener en Libye. À destination, tu trouves un travail. Tu travailles dans une boulangerie ou tu travailles dans un, dans un chantier de maçonnerie. Une fois que tu finis, tu, euh, tu, fais un peu d'économie pour me, pour me payer. Donc L'immigrant est parti à partir d'Agadez à mhm. crédit pour, à Arriver, pour arriver en Libye. Euh, il s'est même passé ce qui se passe. Parfois, il, paye euh, les crédits, mhm. mais il continue à être exploité. Donc c'est de la traite des personnes. À mhm. l'époque, ce sont des maisons euh, parce que simplement elles étaient inondées parce que les Arabes ont compris que maintenant qu'il n'y a pas d'État, il faut prendre beaucoup plus de gens et les mettre dans des maisons et, les, torturer le long de la journée, leur donner le téléphone pour appeler leur famille et demander une rançon. Donc ça, c'est quelque chose qui a vu le jour après Kadhafi. Mais sinon, les maisons elles-mêmes des crédits existaient même à l'époque de Kadhafi. Donc les conséquences, pour te répondre, mhm. les conséquences, moi je suis un militant des droits de l'homme, je suis déçu de voir que l'Afrique est en train de en train de se vider de sa jeunesse. Ça, c'est le premier facteur. Des milliers de jeunes quittent le Niger, le, Sénégal, le Nigeria pour aller en Europe. Les bras valides sont partis nous laisser. Donc, d'abord, sur la route, ce qu'il ne faut pas oublier, à partir d'Agadez, tu te fais, tu prends un convoi parce que tu as été introduit par un passeur dont tu ne connais pas. C'est un réseau. Donc la voie d'Agadez, c'est la voie la plus facile. C'est la, voie la plus facile pour arriver à. C'est même la, la voie nationale. Moi, j'ai vu même des migrants qui ont reçu des balles. OK Dans les pieds. Et au retour, quand l'OIM les a rapatriés, ils, se sont retrouvés avec des pieds amputés. Alors, M. Guevane, dites-nous, est-ce que vous, vous avez une idée, euh, est-ce que vous vous connaissez, disons, qui sont euh, partis et qui sont revenus, euh, si oui, désormais, leur perception de la vie J'ai eu à réaliser beaucoup d'interviews pour notre site mhm. sur le projet Migrant en route par rapport aux retournés. Mhm. Et je vais vous raconter une histoire. C'est un migrant, mhm. un, Sénégalais, qui a fait déjà 10 ans... tous les Sénégalais, <laughs> Qui a fait déjà qui a fait déjà 10 ans en, Espagne, mhm. qui avait une campagne. Mhm. Et en 2016, le Sénégal a signé un accord avec l'Espagne mhm. qui autorise l'Espagne à rapatrier tous les Sénégalais en situation régulière. Le monsieur s'est retrouvé à Dakar, coupé après 10 ans en Espagne, coupé de sa vie de l'autre côté. Il a tenté de retourner en Espagne en passant par le désert nigérien. Et le monsieur est arrivé en Libye. Oui, ils ont essayé de traverser la mer. Mhm. Il y a eu naufrage. Ils étaient sept survivants sur une centaine. Il a frôlé la mort en mer. Il a, il a frôlé encore la mort. Au bal. Et il a dû retourner en Algérie. Mais il projette encore repartir. Et une fois en Algérie, il a été surpris par les rafles policières. Il s'est retrouvé encore dans le désert nigérien. Donc, après tout cela, il a décidé de rentrer volontairement. On part donc, euh, comme je le disais, me raconte aussi euh, une partie de sa vie. Je dois partir parce que si toutes les cartes sont jouées, elle est en featuring avec euh, John Sofakoli. On kiffe et tout de suite, la suite. Je dois partir malgré la paix, malgré l'hospitalité, je dois partir. Trop dur d'être jeune chez nous, vivre, fardeau fatal. Dans nos têtes, le doute s'installe, que c'est dur, dur de douter de son avenir. Triste de savoir que pire sera le lendemain, dur de ne pas savoir comment en finir. Je dois partir à Paname ou chez l'oncle Sam conscient de tous les dangers. Je sais que là-bas, je serai comme un naufragé, mais je saurai nager. Je dois partir car j'ai honte, honte toujours tendre la main. Maître de toutes mes facultés, faut que je gagne mon pain. Je m'en vais là où l'espoir est possible, même si là-bas ma vie serait jamais paisible, où mon visage triste passerait invisible. Je partirai car chez moi la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. Tabou Tabou si haika sambeze ya Lora goga kwe nyango goge Dangai inna beri no wasa Hankan de suru kun no gaban Tabi gaban Je dois partir vers d'autres horizons pour qu'un jour, à mon retour, mes paroles aient raison. Je m'en vais là où l'espoir est possible, défier leur mépris et leur climat impossible. On m'a dit que chez eux, la misère est visible. Mais ici, c'est celle des miens et de toute cette jeunesse cible qui souffre en silence sans évolution possible. Je dois partir. Il paraît que là-bas, toutes les cartes ne sont pas encore jouées. Mais ici, pour ceux de ma génération, le jeu est déjà fini. Bon nombre de nos aînés ont échoué. Dans l'alcool, ils ont sombré. Dans l'échec familial, souvent dû au manque d'emploi, la misère les a cloués dans leur tête. C'est sûr que de regret de ne pas avoir fui quand c'était possible. Ah, je dois partir parce que ici, toutes les cartes sont jouées. Les 10 ans de gentlemen, nous sommes toujours sur l'émission Tous à la Fada. Tous à la Fada. Rappel du thème du jour impact socio-économique de la migration irrégulière sur les jeunes et tentative de solutions aux perspectives pour endiguer le phénomène quels sont actuellement les mécanismes que vous connaissez qui sont mis en place par des autorités ou des structures évrant au Niger pour tenter de réduire le flux migratoire des jeunes Monsieur Madani Moussa. Ok. Oh, to arambe ir projet mhm. Iro ir sine borasi ni musukwai. Mhm. Zamani haikul kan e, dans la vie, c'est la personne qui prend sa décision. Mécanisme que to iro mechanism kirgo sambu irgite après dir na bor explique eh, eh, eh, expliquer borasi eh, masala yan voyage de la migration irrégulière irge proposer assez solution foyan ya la solution fo dumano nigi hinga utiliser nigi hmm. hin borg hin europe mais hmm. bor mo bay matunu borg hinga koy hmm. zama hunkuna ba windi fono ni dini go dira din sote niman ha autorisation fura ni bai dai bora gin katare wala amma din karkar ni na si ni ka visit aga bai kan ni go ka kenan ni gonda autorisation nim furo to a gono solution kan gono zama din samu migrant din kan koy a gono borbobi yan gonda diplome ya des ingénieurs a fo yan gonda licence et avec ces profil là kan ni godi mm. bor inga hay bobu te hay bobu yante ba europe ni inga sambu bourse d'études mm. ya la ir programme o ir gonda lien kan ir gno borai se bourse d'études fonda bon nan kan ni inga furu ni mi keki bourse d'études mm. wala ni inga keki inscription dans les universités waɗi kulgayanno waɗi kulgayanno imam ban oh. imam ban imam ban ok oh, uh-huh. waɗin ya alabore kan kewnu mais mm-hmm. a formation y'en. kayne kayne yen kan gigite kan néo niger agonu. Mm-hmm. zama din sambu eta yakini mm-hmm. avec les partenaires eh, techniques et financiers il y a des formations des sambuni c'est suisse contact yan hein, iga accompagner les jeunes eh, dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole donc nous wani ni projet kaina kan ni gonda ni ga gen ganum su ko kogilebu Hein? Il s'arrête désert mot Voilà. Exact. to oh. monsieur monsieur Comment aussi prendre en charge un migrant qui est revenu euh, de cet avenir et qui doit repartir de zéro Oui, justement, c'est pas toujours l'information. L'information est la meilleure carte. Réorienter le, le migrant, par exemple. Je vous donnais l'exemple d'un jeune béninois tout dernièrement qui n'avait pas l'information comme quoi il y a des centres incubateurs qui pouvaient l'appuyer par rapport à ce qu'il a fait partir parce qu'il manquait de, de, soutien financier. Aujourd'hui, il y a les centres incubateurs qui sont un peu partout dans les pays. Mhm. Au Niger, c'est le CIPMEN, par mhm. exemple. Mhm. Donc, euh, à côté de cela, si la personne, si le migrant n'a pas, pas une grande qualification, il y a des centres de formation professionnelle. C'est ce que je disais tout simplement. Parfois, on laisse la mine d'or et on court après des choses. vivre en Europe, c'est vivre. et la mine d'or est là juste à côté. Voilà, il suffit de creuser un tout petit peu. il faut faire l'effort. Euh, Raison pour laquelle on met le cap sur la sensibilisation. Merci, monsieur euh, euh, Guevanido. Alors, je, te, donne la parole, Omar Hama. Euh, je sais que, ben, écoute, tu as certainement aussi d'autres idées à développer, toujours dans le cadre des perspectives et solutions, Omar. J'aimerais insister pour te donner juste un petit aperçu de l'historique d'après la loi que le Niger a votée. Après l'adoption de la loi en 2016, à Agadez, qui est une ville qui a vu une économie migratoire se développer. Euh, le conseil régional d'Agadez, en collaboration avec la mairie, ont créé un comité qui réunit tous les acteurs directs et indirects de la migration. Ce qu'on appelle le comité des ex-passeurs. Parce que c'est eux qui font en sorte que quand les migrants arrivent, ils les font partir. Mhm. Et maintenant, si ces gens-là sont occupés par un autre boulot, même si les migrants arrivent, mhm. il va se décourager parce qu'il n'y a personne pour l'amener, pour les transporter. Mhm. Donc, c'est ce comité qui est composé des ex-passeurs, des coxers, des chauffeurs, et des propriétaires des véhicules et des propriétaires des maisons communément appelées ghettos. Ok Ces gens-là se sont vus créer un comité. Après, l'Europe est arrivée par les D'ailleurs, c'était à l'époque la chef de la délégation de l'Union européenne, Frédérica, euh, qui est arrivée à Agadez pour constater de visite elle-même la situation. Bon, l'Europe a promis de l'argent, mhm. ok Il a dit, bon, puisque vous êtes maintenant, vous êtes d'accord à cesser le travail, nous, nous allons débloquer une somme pour créer un plan de reconversion des acteurs de la migration. Mhm. L'Europe à, sélectionner des, structures au Niger. Ok Omar, de à moi, Donc, ça là. J'arrive, j'arrive, je, je vais t'arrêter, en fait, parce oh. qu'on n'a que 35 minutes, ça ne peut pas passer. D'accord. Moi, quand je te dis de me proposer des solutions, je veux vraiment des solutions tac je t'explique ce qui a été déjà fait. Moi, je, t'explique ce qui a été déjà fait. Parce que tout ça, là, c'est Non, c'est important de dire qu'aujourd'hui, l'Europe a débloqué de l'argent pour créer un plan de reconversion des passeurs qui a échoué. Vous voulez participer à notre émission Envoyez tout simplement vos avis et commentaires par WhatsApp euh, au 80 06 88 54. Si vous, si voulez aussi écouter le contenu de nos émissions, euh, envoyez jeune au 80 06 88 54. Une dernière euh, pause musicale, mesdames et messieurs, avant de faire le tour de la table et clôturer cette musique va donc annoncer la chronique d'Olivier. Cette musique est proposée par mon ami Gevani. Oui, justement, on va jouer tout fan, la vie là-bas. La vie là-bas. Alors c'est la vie là-bas qui va donc euh, euh, accueillir mon pote à moi, Mr. Olivier. Juste après la chanson, retrouvez la chronique d'Olivier. cousin moi, lui parti leur À retour au pays, ils ont apporté beaucoup dollars. À retour au pays, ils ont apporté beaucoup d'euros. Si seulement comme ça que la vie de l'homme peut changer. Ma famille give me conseil, mon enfant toi aussi parti là-bas. Oh, la vie là-bas. Amis jeunes de tous à la Fada, bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir et, comme d'habitude, à chaque fin de mois, je vous propose le condensé de l'actualité de ce mois. Alors, ce mois de novembre, qui vient de s'achever, est marqué par un peu de tout. Un mois mouvementé par des journées exceptionnelles sur le plan économique et social. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que ce mois a été marqué par la visite du chef de l'État dans la région de Difa. Sur place, des jeunes avaient réagi. Le président de la République vient de constater, plus avec euh, les inondations, beaucoup de jeunes ont perdu même leurs champs. C'est que nous, nous attendons du président de la République. Avec cette situation, il faut avoir euh, des alternatives pour la résilience de la jeunesse. en plus, il faut dire que ah, récemment, pour un seul mois, on a enregistré 600 ah, demandeurs d'emploi au niveau de l'ANP. Vous voyez comment le taux de chômage est galopant. On est dans une situation très, très, très grave. Nous, les jeunes, on est en chômage d'abord. C'est le chômage qui amène tout, de faire partir les jeunes vers les Boko Haram et autres. Donc maintenant, ce qu'on attend de lui vraiment, les jeunes n'ont pas de travail juste là, donc leur chance est inondée, ils n'ont pratiquement pas euh, des activités à occuper. Outre cette information, le concert de la solidarité et de la paix organisé ici à Niamey avait également marqué les jeunes. Hakim, l'artiste de la chanson, était sur Studio Kalangu. Il réagissait. Je crois que c'est un show raté. Je condamne surtout l'organisation qui a failli. Ce n'est pas les artistes. Le choix des artistes est très mal fait. Tu mets plus d'artistes sur un concert, plus tu fragilises ta crédibilité. Parce que je me dis, les artistes sont mal choisis. L'organisation, il n'y a pas eu assez de temps. On parle d'un concert au stade. Ce n'est pas la MJC ou une petite salle. C'est plus de 30 000 places. Il faut des mois de communication. Quoi. Voilà ce qui a fait en sorte que le concert n'a pas bien marché. Sur le plan sportif, c'était aussi le championnat national de handball. À cette compétition, la région d'Agadez et de Difa n'était pas représentée. On écoute les raisons évoquées par l'une des organisatrices. Ce championnat regroupe toutes les régions du pays, à l'exception d'Agadez et Difa. Agadez avait eu des difficultés de moyens et Difa, compte tenu de la situation qui prévaut là-bas, vraiment c'est difficile de réunir les jeunes et puis de monter une équipe. Pour les mélomanes, on ne peut pas parler du mois de novembre sans pour autant Écoutez ça a plus rien à manger Tu m'as laissé tomber T'as dit que tu reviendrais Mais t'es jamais rentré Les moi de monter Ton pape ce qu'il est J'ai dit que tu reviendrais mais déjà rentré papa, papa, maman plaire au oh, papa, papa. Et eh, maman au oh, papa. Et eh oui, c'est le single Papa extrait de l'album POA. Vous avez reconnu le nom, c'est Poison ou Antidote de l'artiste franco-sénégalais Dajou. Chers amis de tous à la Fala, c'est la fin de cette chronique. Espérant vous voir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. Bye bye. C'était donc la chronique d'Olivier, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous, allons faire, euh, euh, nous allons faire le tour en question de la table. On va commencer d'abord par M. Euh, Gevanido. Alors, un, dernier mot, si, si, on peut appeler les choses ainsi. Ok, d'accord, merci. Je vais intervenir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est discuter avec les jeunes mhm. africains. Le, second niveau, euh, faire intéresser aussi beaucoup plus les médias à parler beaucoup plus de la migration irrégulière. Et le troisième niveau, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Donc ils ont été tous supprimés. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des efforts pour euh, rectifier le tir. Je prends congé de toi, M. Guevara. Moussa, M. Sanononise, San Nico Korfono Gonse, Tchéen Gonda aussi. pour que je me bonza to ayo ke kai gite ke kai gite ingano bara kul kan godan e, migration irregular e, a reflexion kan ga baga koi ai ga ba amka gake ki information irdu irgi ngi ya sai information kul kan gono masalayen kan gono fondabon da solution kage ngi ne au Niger mm, Omar Hamma mm voilà. Je viens de retourner ma casquette. Je vais être en bling bling comme toi. je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. <laughs> Tout on est déjà, on est à la fin. Voilà, d'accord. Bon, les, solutions pour moi. Eh eh. J'interpelle les dirigeants africains. Il faut investir dans le développement local. Occuper ces jeunes avec des métiers nobles, mhm. avec des activités légales mhm. pour éviter et cette migration de la jeunesse africaine tous à FADA, votre émission tend vers sa fin. On a beaucoup échangé sur la migration cette semaine grâce au concours de nos invités que je remercie encore pour la disponibilité. Je rappelle leur nom. Nous étions avec Omar Hama qui vient à l'instant donc d'intervenir. Omar Hama, merci en tout cas pour ta disponibilité. Nous étions aussi avec Monsieur Gevani Do, chargé donc des relations publiques du projet Migrants en route. Nous étions aussi avec Madame Moussa, conseiller PA au projet Migrants en route. Euh, merci aussi à l'équipe technique, merci à nos 41 radios partenaires, merci à tous qui nous suivent à travers notre site, le site du studio Kalangou. Restez abonnés à notre fil WhatsApp 80 54. À la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de l'émission Tout ça là. Machine les migrants et les non-migrants. talk Tolkit. Hey.